le forum du studio le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 16 minutes à Niamey et les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une euh, vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec l'actualité hors de chez nous, à savoir l'ouverture euh, ce matin à Marrakech au Maroc de la 22e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. L'insuffisance des moyens et l'interventionnisme politique sont les grosses difficultés des agents des impôts, nous dira le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts dans ce forum. Voilà donc euh, l'essentiel euh, pour le menu de ce forum euh, de ce lundi 7 novembre 2016. Je le disais tantôt, nous allons parler environnement et réchauffement climatique. Euh, tout d'abord, le Maroc a pris officiellement ce matin la présidence euh, de la COP 22. La COP 22, euh, c'est la deuxième, c'est la 22e conférence des partis de la, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle s'est ouverte euh, ce matin à Marrakech et va durer une quinzaine de jours. La présidente de la COP précédente qui s'était déroulée à Paris, Ségolène Royal, a passé le témoin au ministre marocain des Affaires étrangères, euh, Salahedine Mezouara. Je vous rappelle euh, que quelques 192 euh, États ont signé l'accord de Paris, dont 100 euh, l'ont déjà ratifié, parmi eux le Niger. Notre envoyé spécial Alassane Kouzi Mamadou nous rappelle les enjeux de cette conférence. Les accords de Paris avaient été approuvés par 195 pays et l'Union européenne le 12 décembre 2015. Il fallait la signature de 55 pays correspondant à 58% des gaz à effet de serre pour que l'accord entre en vigueur. À ce jour, 96 pays et l'Union européenne l'ont signé, dont les plus pollueurs comme la Chine, les États-Unis, l'Inde et le Canada. Parmi les grands acquis de la COP21, le maintien de la température globale en deçà de 2 degrés en réduisant les émissions de CO2 et de méthane et la responsabilité différenciée des États. C'est dans ce contexte que s'ouvre ce lundi la COP22 considérée comme la COP de l'action et la COP africaine pour le nouveau président Saladin Mezour, cette conférence est, je cite, une opportunité pour porter la voix des pays les plus vulnérables face au changement climatique, en particulier celle des pays africains et des États insulaires. Parmi les grands enjeux de ces nouvelles négociations, il s'agit de définir les mécanismes financiers à travers euh, notamment le Fonds vert climat pour permettre la mise en œuvre concrète des projets d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Les délégations africaines souhaitent que les réalités et les priorités du continent prédominent lors de cette rencontre les 54 pays africains sont en effet les moins pollueurs de la planète, mais mers pourtant les plus impactées, les moins capables d'anticiper les effets climatiques. Le Niger s'est fait représenter à cette rencontre internationale par une délégation pluridisciplinaire composée de cadres des ministères techniques, de parlementaires, d'acteurs de la société civile, tous pour faire entendre la voix du Niger. Alassane Kouzima Madou, depuis Marrakech pour le studio Kalangou. Notre envoyé spécial Alassane Kouzi Mamadou vient de le dire, le Niger est représenté par une délégation pluridisciplinaire composée de cadres du ministère technique, des parlementaires, d'acteurs de la société civile, tous pour faire entendre la voix du Niger. Parmi eux, parmi ceux-ci, Ayuba président de l'association nigérienne volontaire pour l'environnement. Euh, notre envoyé spécial à Marrakech, Alassane Kouzi Mamadou, l'a rencontré juste avant son départ. Voici leur entretien. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à la COP 21 de Paris. Mais avant de revenir sur cette question, pouvez-vous nous faire un petit rappel des enjeux du changement climatique pour un pays comme le Niger D'abord, euh, les enjeux pour un pays tel que le Niger, qui est un pays sahélien, un pays désertique, un pays qui n'a euh, pas de débouché sur la mer, euh, c'est partant déjà du constat du climat du Sahel, les caractéristiques du Sahel font en sorte que nos pays sont les plus vulnérables face au choc climatique. Donc il est important pour, pour nos pays, dans le cadre du développement, qu'on puisse voir comment euh, quelle économie ou bien quel mode de développement, comment soutenir, comment nous adapter face à, à, ces climats changeants. Vous le savez bien, ici dans les Sahel, l'économie est toujours basée exclusivement sur l'agriculture et l'élevage. Et tant que ces deux euh, aspects sont tributaires des paramètres euh, pluviométriques, c'est très important que, avec le changement climatique, les gens n'arrivent plus à les, à les suivre, les gens n'arrivent plus à comprendre exactement ou à anticiper ou à à les gérer. Ça change à tout moment. Donc, euh, pour un pays tel que le Niger, l'urgence est de voir comment adapter son agriculture, comment adapter euh, son élevage, comment adapter euh, ses infrastructures, comment amorcer les questions socio-économiques de développement dans un climat pareil. Donc, euh, il est important pour nous de voir d'abord les secteurs, parce que tous les secteurs sont vulnérables face au changement climatique, à commencer par les poumons de notre économie, tels que l'agriculture et l'élevage, comme je l'ai dit, parce que quand il y a moins de pluie, c'est des conséquences. Quand il y a plus de pluie, c'est des conséquences. Il y a aussi là les risques de catastrophes. Il y a la désertification qui s'accélère à, un, à un point comme pas possible. Il y a la déforestation liée exclusivement au fait que nous utilisons plus de 90% euh, quand même le bois de chauffe comme euh, source d'énergie. Donc tous ces aspects doivent être repensés aujourd'hui euh, et constituer un enjeu véritable. Quand on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, il est important quand même que les Niger puissent faire entendre sa voix euh, dans des grands forats tels que les négociations sur le changement climatique pour demander réparation, pour demander également qu'il y ait les transferts de technologies, pour demander qu'il y ait la mobilisation des fonds pour faire face. Parce que le Niger, comme la plupart des pays africains, euh, ne sont pas à la base du changement climatique. Et le socle même des négociations pour nos pays repose sur le fait qu'il y a une responsabilité commune face au changement climatique, mais elle est bel et bien différenciée. Alors vous, vous avez participé, je le disais, à la COP 21 de Paris. Quel bilan vous faites euh, de ces accords de Paris Oh, je pense que euh, l'accord de, Paris est salutaire et nous l'avons salué à un moment donné lorsque nous étions présents durant les deux semaines euh, et suivre étape par étape comment les négociations se faisaient. Et comme on le disait, c'est véritablement un accord hystérique parce que nous avons attendu cet accord depuis 2009 lors de la conférence de Copenhague, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et à, Durban aussi, les gens ont espéré qu'il puisse y avoir un accord similaire presque. Il a fallu à Paris pour que euh, les pays partis à cette convention puissent s'accorder, accepter un accord. C'est vrai, les gens disent que juridiquement, ce n'est pas un accord contraignant, mais il y a des contraintes et il y a des instruments qui vont permettre plus tard à ce que les pays, tous les pays signataires qu'on puisse trouver des voies et moyens pour les contraindre souvent à respecter la parole donnée. Donc c'est un peu ça. Avoir un accord, c'est une autre chose. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Donc les véritables plaidoyers, les véritables travail commencent maintenant après la ratification, la, la mise en vigueur officielle euh, de l'accord de Paris. Alors quel était cet accord de Paris L'accord de Paris, comme euh, l'ont bien dit beaucoup d'analystes, c'est un accord qui reconnaît d'abord cette responsabilité historique euh, et me différencier de certains pays par rapport au changement climatique. C'est un accord également qui permet de la mobilisation financière pour aider les pays pauvres à faire face au changement climatique tel que les 100 millions de dollars prévus d'ici 2020 ou au-delà. C'est un accord également qui favorise les transferts de technologies pour les pays en voie de développement, les pays qui n'ont pas assez de moyens. Donc c'est vraiment un, un accord pour tous les pays. Donc ce n'est pas un accord qui est juste pour certains pays et pas pour les autres. Donc c'est comme on le dit, c'est un accord universel. Et c'est un accord aussi qui était dans un contexte où tous les pays ont accepté de voir, euh, de faire en sorte que, de par leur action, les niveaux de réchauffement global puissent descendre au-dessous des 2 degrés Celsius et voire même euh, peut-être 1,5 degrés Celsius. Parce que là, les experts nous alertent qu'au-delà de 3 ou 4 degrés de réchauffement, la planète ne peut pas être viable. Et le Sahel dans lequel nous sommes euh, ne peut, ne peut que, on ne peut que sentir doublement et durement les affres de ces conséquences. Donc c'est pourquoi euh, dans ce genre de choses, l'unité est indispensable. Alors, quelles sont les initiatives louables qui ont été entreprises de décembre à aujourd'hui par rapport au changement climatique après l'accord de Paris, au Niger particulièrement Oui, au Niger, déjà, ce qui est salutaire, c'est que le 22 avril dernier, le président nigérien était parti à New York pour la signature euh, de l'accord de Paris parce que après l'adoption à Paris, l'accord a été ouvert à signature euh, le 22 avril à New York lors de la célébration de la journée mondiale de la Terre. Et après ça, récemment, il y a deux ou il y a presque moins d'un mois, le Niger a ratifié euh, l'accord de Paris. Donc, ce qui est une bonne chose. Avant d'aller à, Paris, il a été demandé à tous les pays de faire ce qu'on appelle leur contribution nationale prévue déterminée. C'est-à-dire que les pays s'engagent volontairement sous aucune contrainte pour dire que voilà, nous, notre contribution en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire quelles sont les voies et moyens que les pays comptent mettre en œuvre pour réduire son taux d'émission de gaz à effet de serre. Mais le plan du Niger a été élaboré sur une base participative parce que tous les parties prenantes ont eu à prendre par euh, la société civile, les secteurs privés, les institutions étatiques, etc., les parlementaires. Et le document du Niger, parce que qui, est aujourd'hui, parce qu'après l'accord de Paris, ce n'est plus une contribution prévue déterminée, mais c'est une contribution déterminée. Donc, qui est la contribution que le Niger a déterminée dans les cinq années à venir pour dire que voilà ce que nous comptons faire pour réduire nos émissions. Mais vous le savez bien, le Niger fait partie de, beaucoup de pays qui n'ont pas un taux assez élevé d'émissions et aussi pour des questions de développement, on doit avoir un seuil quand même de développement pour pouvoir accepter certaines choses. Donc, ce document sera traduit en plan stratégique et demander des moyens pour sa mise en œuvre qui essentiellement est basée sur les questions de l'agriculture, comment améliorer l'agriculture au Niger, sa pratique au Niger, Comment faire en sorte que les Nigériens qui souffrent de ces effets du changement climatique, comment les aider à être plus résilients Donc la question des résiliences, elle est prise en compte. La question de l'élevage aussi, la question des infrastructures, la question des récupérations des terres. Donc il y a beaucoup d'aspects euh, ont été pris en compte que si le Niger maintenant après, lorsque l'accord sera en vigueur, le Niger peut maintenant accéder au fonds, le fonds vert, le fonds global, pour demander des fonds et essayer de financer les actions du développement en lien avec le changement climatique. Donc je pense que le Niger est déjà dans cette logique parce que dernièrement, lors de l'installation du comité national de préparatoire de la COP22, le ministre en a rappelé pour dire que la contribution nationale euh, euh, du Niger sera traduite en stratégie et en programme, tout ça, de développement. Donc on espère que le Niger va également pouvoir en bénéficier des retombées de l'accord de Paris. Comment s'est la synergie entre acteurs de la société civile et en politique pour notamment face au changement climatique ah, Je pense que la, synergie, c'est une synergie qui s'effectue sur les plans de, euh, comment ça s'appelle, en termes de, de collaboration, de complémentarité. Parce que ici au Niger, avant d'aller chaque année, le Niger a cette tradition de mettre un comité national d'organisation, multi-acteurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est dans ce comité, chacun apporte de son expertise pour qu'on puisse euh, ensemble les positions du pays, les intérêts, les enjeux par rapport à la conférence elle-même et les enjeux pour les pays. Et ensemble, chacun, en fonction de, de sa casquette, comme on l'a dit, va essayer de plaider, de défendre ça. Et même au-delà du Niger, durant la conférence, la société civile, par exemple, euh, dans laquelle nous, nous sommes membres, essaye d'influencer les autres acteurs, de mobiliser les parties prenantes autour des positions de nos pays et aussi d'encourager nos négociateurs pour les conforter dans leur prise de position. Parce que c'est vraiment des grandes négociations, il y a beaucoup de lobbying, il y a des pressions. Donc nos négociateurs ont besoin de sentir qu'ils ont le peuple derrière et qu'ils ont les représentants du peuple, de la communauté, de la société. Donc c'est aussi cela. Et souvent aussi quand on voit qu'il y a des points de vue qui sont pas définis assez, on peut aussi les rappeler à l'ordre. Il y a aussi, si on trouve qu'il y a des points de vue euh, qu'ils prennent ou qu'ils n'arrangent pas les communautés, on essaie aussi de leur dire non, stop, arrêtez, mais plutôt voilà ce qui peut être favorable au peuple, ou bien s'il y a des mesures euh, sur le plan international qui sont, qui sont nuisibles ou bien qui ne sont pas favorables à nos contextes, à nos réalités africaines ou nigériennes, on essaie de les interpeller là-dessus. On anime des stands ensemble pour dire voilà les projets qui sont mis en œuvre pour chercher à mobiliser d'autres partenaires. Voilà également, on fait des démonstrations, on peut faire des points de presse, on peut faire des pétitions, etc. Tout ça pour euh, rehausser la voix ou le niveau de participation ou les intérêts du pays. Donc voilà un peu comment s'effectue cette synergie, qui est une synergie de complémentarité. je pense que depuis un certain temps, tout le monde a compris que c'est la complémentarité. On ne part pas à l'extérieur ou bien on ne reste pas ici. Être dans le même domaine et se critiquer ou bien ce n'est pas une question de concurrence. Quelles sont les positions que vous, acteurs de la société civile, vous comptez défendre au niveau de cette COP22 qui s'annonce bientôt Déjà, la question cruciale pour nous, c'est la question de la mise en vigueur de l'accord des parties donc, une fois que l'accord de Paris entrera en vigueur, quels sont les mécanismes qui vont permettre à tout le monde de jouir des retombées et Comment faire en sorte que les questions, les promesses qui sont dans cet accord-là soient maintenues et les suivre Donc, il faut qu'on trouve des paramètres pour pouvoir évaluer ça et puis suivre ça de près pour dire, ah, par rapport à l'accord de Paris, euh, la, question du financement, les pays industrialisés ont promis 100 millions de dollars à partir de tel nombre d'années. Il faut qu'on s'assure qu'ils respectent cet engagement. Certains pays devraient ou ont l'obligation de réduire leur taux d'émission par rapport à un euh, certain seuil, il faut qu'on ait les moyens de vérifier cela et de les approuver. C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons en synergie avec les sociétés civiles du monde entier. Donc on essaie ensemble de se donner ces informations pour qu'ensemble on puisse suivre. Parce que c'est question de transfert de technologie. Aujourd'hui, ceux qui ont les moyens ont la technologie, mais pour des questions de brevets ou des moyens n'arrivent pas elles ne veulent pas les partager, etc. D'autres. Donc il faut que toutes ces barrières, on puisse les casser. Par rapport à cette COP 22 qui s'annonce, quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour arriver donc à, suivre les négociations, pour faire entendre la voix du Niger, des acteurs de la société civile nigérienne lors de ces négociations Quand on parle de la COP 22, les gens disent c'est la COP africaine. Donc effectivement, nous avons la proximité avec le Maroc, nous avons plusieurs intérêts en commun avec les pays africains. Et déjà, depuis un certain temps, avant la COP, il y avait plusieurs réunions parallèles. Il y a eu des réunions des parlementaires, les réunions des ministres, les réunions des gens du secteur privé. Partout en Afrique, les gens se sont réunis pour avoir des positions communes ou, et où les harmoniser avec d'autres positions. Que depuis un certain temps, l'Afrique est en train d'essayer de parler d'une seule voix. Donc, pour que à la COP aussi de, euh, de Marrakech, que les Africains puissent parler d'une seule voix, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest ou du Sud, etc., que nous puissions parler d'une seule voix. Et nous, nous essaierons de faire en sorte que les préoccupations du Niger soient prises en compte dans toutes les interventions de la société civile et aussi harmonisées avec euh, nos décideurs ou les négociateurs parce que les pays seuls ne peuvent pas faire le poids. Le Niger est dans plusieurs groupes, le groupe G77 avec euh, la, Chine, le groupe euh, des pays les moins avancés, comment dire, oui, les listes développement countries. On est aussi membre du groupe Afrique, on est dans les PMA. En tout cas, on est membre de plusieurs groupes. Donc, c'est au sein de ces groupes que se font les véritables négociations les de position. Donc le Niger ne peut pas dire voilà nous notre position du Niger, mais voilà nous notre position de notre zone et c'est les grands groupes qui font le poids. Donc nous essaierons ainsi que dans les, au sein des grands groupes que nos préoccupations du Niger, soient euh, prises en compte, les questions liées à l'agriculture, les questions liées à l'élevage, les questions liées à l'irrigation, à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire, les questions liées au transfert des technologies, les questions liées au financement de l'adaptation pour renforcer la résilience de nos communautés. Je vous remercie. C'était là Ayouba Sani, président de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, interrogé par Alassane Kouzi Mamadou. Entretien euh, réalisé euh, juste avant euh, son départ pour la COP 22 Marrakech, Maroc 2016. Autre aspect de ce forum, le ministre des Finances a rencontré ce matin le personnel de la Direction générale des impôts, une rencontre à l'issue de laquelle Hassimi Massaoudou a exhorté les agents à plus de rigueur pour la mobilisation des ressources. Selon le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts, Moussa Oumarou, l'insuffisance des moyens et l'interventionnisme politique sont les plus gros problèmes à des agents de la Direction générale des impôts. On l'écoute. Moussomourou, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous avez rencontré le tout nouveau ministre des Finances euh, ici euh, à la DGI. Qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir par rapport à cette rencontre comme il l'a dit lui-même, ce n'est pas une rencontre syndicale. Nous avons voulu prendre la parole euh, pour lui signifier un certain nombre de problèmes que nous rencontrons. Malheureusement, il nous a fait signifier que ce n'est pas une rencontre syndicale et nous avons pris acte. D'abord, euh, je veux dire que le ministre a parlé de mobilisation des ressources internes. Euh, si le ministre parle de mobilisation des ressources internes, ça veut dire qu'il y a problème. Et aujourd'hui, nous avons pensé que nous faisons de notre mieux dans le cadre de cette mobilisation des ressources internes, mais le ministre a constaté que c'est insuffisant insuffisant dans la mesure où nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs à nous assignés. Et les raisons ont été évoquées par la directrice générale des impôts, et lui-même, il a peut-être compris, mais qu'il demande aux agents de fournir plus d'efforts et que ceux qui veulent partir avec eux dans le cadre de cette mobilisation des ressources internes seront récompensés de manière positive. Et ceux qui ne le font pas ou qui font le contraire, ils vont être sanctionnés. Nous sommes tout à fait d'accord de ces propos du ministre des Finances, mais nous avons émis des réserves parce que nous disons que euh, à ce niveau, il faudrait prendre l'ampleur de la chose et dire les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, au niveau de la Direction générale des impôts, nous savons que à un certain moment donné, nous n'avons même pas de carburant, nous n'avons pas de véhicule. Comment voulez-vous un agent qui est censé mobiliser les ressources n'ait pas les moyens qui sont les siens pour aller chercher la matière imposable et avoir de quoi faire subvenir l'État dans ses besoins. Je pense que il y a des choses qu'il faut, faut se dire, la vérité. La vérité est que, au niveau de la Direction générale des impôts, le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est en tout cas l'interventionnisme politique. Est-ce qu'il faut comprendre la parole du ministre euh, des Finances comme étant une menace ou bien une mise au point on peut le comprendre autrement, on peut le comprendre comme étant une menace, mais on peut le comprendre aussi comme étant une question d'interpellation des gens dans la remise des agents au travail. Ça, c'est normal. Mais ce que nous décrions, nous avons décrié, c'est que nous continuons à décrire encore, c'est qu'au niveau de la DGI, il y a l'interventionnisme politique. Et là, le ministre n'en a pas parlé. Il aurait dû parler de l'interventionnisme politique, nous poser des questions par rapport à l'interventionnisme politique. À quel niveau y a-t-il de l'interventionnisme politique Parce que c'est ça qui est essentiel. Aujourd'hui, l'agent des impôts qui cherche à mobiliser les ressources fait des redressements fiscaux, des centaines de milliards. Et on va d'un jeu d'écriture, on balaye tout. On dit qu'on a annulé parce que tout simplement, telle société internationale, telle société est liée à l'État français, telle société est liée à l'État chinois. On veut faire en sorte que faire du barabara, faire de ce, qu'on veut de l'État du Niger. L'État du Niger, c'est un État. Et aujourd'hui, nous pensons que, à notre niveau, en tant que structure syndicale, nous allons nous battre pour qu'on respecte la réglementation qui est en vigueur. Monsieur le est-ce que vous avez eu des cas euh, précédemment et précédemment, nous avons eu beaucoup de cas. Nous avons eu la CNPC, nous avons eu la Sonichar, nous avons eu la Cominac, nous avons eu plusieurs sociétés, dont Ertel, Orange. Nous avons eu des interventionnismes à ce niveau. Ça, il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, nous, en tant que structure syndicale, nous ne sommes pas prêts à l'accepter et à l'admettre. Si vous vous rappelez, à notre rentrée syndicale, nous en avons parlé. Nous en avons parlé de ça. Et nous avons demandé une audience au président de la République pour lui signifier de vive voix ce que nous pensons par rapport à ces interventionnismes politiques. Et l'interventionnisme politique gangrène notre administration et il faut qu'on l'arrête. Ce matin, le ministre des Finances n'a pas voulu vous écouter. S'il a eu le temps de vous écouter, qu'est-ce que vous l'aurez dit en face de lui en fait, euh, moi j'ai voulu intervenir pour justement euh, lui faire comprendre qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas évoqués dans la salle et qui peuvent être évoqués. Et moi je pense que j'ai voulu intervenir en tant que SG du syndicat national des agents des impôts pour lui signifier un certain nombre de choses qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas au niveau. Par exemple, quoi, monsieur le Par exemple, l'interventionnisme là. Il vient d'arriver. Est-ce qu'il sait qu'il y a l'interventionnisme politique? Il ne sait pas qu'il y a l'interventionnisme politique, mais il y a l'interventionnisme politique. Au plus haut niveau, notamment au secrétariat général du gouvernement, où on fait des dégrèvements de centaines de millions, de milliards. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Si on dit aujourd'hui aux agents des impôts de travailler, ils travaillent, on n'a pas le droit de dégréver, de dégréver ou bien de faire des annulations de ces impôts. Tant qu'on demande l'avis de la Direction générale des impôts, elle va dire, va lire le droit. Qu'est-ce que le droit fiscal a dit par rapport à telle ou telle situation Combien, par exemple, faut-il dans le cadre de la mobilisation des recettes euh, fiscales Aujourd'hui, nous sommes à à peu près 650 milliards qu'on doit euh, mobiliser. Et aujourd'hui, on est à 300 et quelques milliards par la faute de certains responsables qui ne veulent pas le progrès de ce pays. Et nous, nous avons continué, nous allons continuer à fustiger ce comportement parce que la DGI mobilise à elle seule plus de 70% des recettes fiscales du Niger. Et si aujourd'hui on en fait des entraves aux activités de la Direction générale des impôts, ça veut dire qu'on fait entrave au bon fonctionnement de l'État du Niger. Monsieur le SIG, est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit de vos militants par rapport à cette nouvelle donne euh, qui est là Ce que nous voulons dire à nos militants, c'est tout simplement de se remettre au travail, de travailler pour montrer à l'État le contraire de ce qu'il pense. On pense que nous sommes en train de saboter les activités, mais nous sommes là pour le progrès. Nous visons les hommes que le ministre des Finances, que l'État du Niger. Mais nous ne voulons pas qu'on ait de la défaillance dans ce que nous nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner l'État dans la mobilisation des ressources internes, mais à condition qu'on nous respecte aussi. Monsieur le SG, que répondez-vous par rapport à ceux qui pensent que, au niveau de la Direction générale des impôts, la corruption pousse comme euh, des champignons La corruption ne pousse pas. Moi, je ne dirais pas que la corruption pousse comme des champignons. Mais la corruption, c'est plus, au plus haut niveau, si on doit le dire. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire des annulations de 50 milliards à quelqu'un sans qu'il te donne quelque chose. Ça, on doit le dire. Mais aujourd'hui, tout agent des impôts qui se rend coupable d'une faute grave doit être sanctionné. Nous sommes pour nous sommes un syndicat qui est chargé de surveiller nos agents, de demander nos agents à nos, camarades de bien faire leur travail, de ne pas dévier de la droite ligne et de faire le travail comme il le faut pour que nous soyons appréciés et que nous soyons appréciés par l'État du Niger dans l'effort que nous sommes en train de faire dans, le cadre de la mobilisation des ressources internes. Monsieur le j'ai peut-être une dernière question. Qu'attendez-vous de l'État Nous attendons le moyen et l'arrêt de l'interventionnisme politique dans les dossiers fiscaux. Je sais qu'aujourd'hui, un agent qui fait un redressement de 50 milliards il a fait de gros efforts pour l'État du Niger. Et ce n'est pas des dossiers qui se traitent en une heure ou deux heures, c'est des dossiers qui se traitent sur deux à trois mois. Donc, à bon entendeur, salut. Merci. C'était la Moussa Oumarou, secrétaire général du syndicat national des agents des impôts. La suite de ce forum, depuis 2000, le mouvement abolitionniste mondial agit pour lutter contre la peine de mort euh, partout dans le monde. La coalition nigérienne de lutte contre la peine capitale a organisé vendredi à la Maison de la Presse un forum placé sous le thème contribution à l'abolition de la peine de mort en Afrique subsaharienne cas du Niger. Ngungu Mohamed Dantani s'est entretenu à cet effet avec Alfali Barma Moumouni. Il est le président de la de la CAT, la CAT Niger, membre de la coalition nigérienne de lutte contre la peine de mort. Nous l'écoutons. Bonjour monsieur. Bonjour. Quels sont les objectifs visés à travers l'organisation de ce séminaire Le premier objectif, euh, c'est de réunir euh, tous les abolitionnistes nigériens et de discuter avec eux sur euh, les stratégies à développer pour aboutir à l'abolition de la peine de mort dans notre législation. Le second objectif que nous recherchons, c'est d'amener les autorités en charge de la justice pour leur montrer combien il est important d'adapter notre code de procédure pénal à la loi suprême de notre pays qui est la Constitution qui consacre le droit à la vie. Vous pensez que c'est parce que nous sommes dans une sphère de démocratie Non, ce n'est pas parce que nous sommes euh, uniquement dans un état de, de droit. Effectivement, l'état de droit veut que nous respectons le droit à la vie. Mais de par nos recherches aussi, nous avons constaté qu'au Niger et dans les communautés nomades qu'on voit la vengeance euh, si on tue et quelqu'un tue. Mais généralement, pour ceux concerne les habitants sédentaires, ce n'est pas facile de voir euh, ce genre de procès où, euh, par exemple, le chef va décider que vous avez tué, vous serez exécuté. Et justement, euh, dans la Constitution, il est bien parlé quelque part mm. de droit à la vie. Et aujourd'hui, s'il y a encore cette disposition, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Oui, effectivement, c'est que nous disons, il y a paradoxe entre la loi fondamentale de notre pays et le code pénal. Mais au-delà même du moment où le Niger a signé deux protocoles, le protocole euh, facultatif euh, sur les droits humains, nous pensons que du moment où la ratification de ces protocoles internationaux fait en sorte que le Niger doit s'adapter à la législation internationale. Effectivement, il y a une contradiction entre le code pénal et notre texte fondamental. Votre dernier mot Notre dernier mot, euh, c'est que nous espérons que la communauté nigérienne, nos autorités vont comprendre la lutte que nous sommes en train de mener et que le Niger va arriver à abolir euh, la peine de mort dans le code pénal, puisque en ce qui concerne la Constitution, nous l'avons dit, il y a le droit à la vie. Eh, merci. C'était la Alfari Barma Moumouni, président de l'ACAT. L'ACAT, c'est la coalition nigérienne de lutte contre la peine capitale. La société nigérienne de logistique automobile Lega est la société qui s'occupe euh, du guichet unique euh, des automobiles. Selon son directeur général, une nouvelle réforme a été mise en place. Elle vise non seulement à répertorier les véhicules qui rentrent dans les pays, mais aussi à les sécuriser. Écoutons les explications du directeur général euh, Kwaku Marius. Il est au micro de Habib le guichet automobile est un outil pour aider l'État pour pouvoir maîtriser le flux des véhicules, l'importation des véhicules sur le territoire national pour permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, surtout deux aspects essentiels, aspect sécuritaire et aspect mobilisation des recettes fiscales relativement aux formalités de dédouanement, d'importation, dédouanement et immatriculation des véhicules. Cela est très important. Et donc, comme je vous le disais tantôt, le guichet d'une automobile prend en charge les véhicules depuis les frontières pour pouvoir les identifier, pour permettre à l'État de les connaître sur l'ensemble du territoire, dans la circulation, dans les trafics, partout. Et donc, saisir les véhicules dès les frontières, les identifier et ensuite permettre à ce que ces véhicules puissent de façon correcte et normale faire leurs différentes formalités administratives, dont la première est de passer le cordon douanier. Et pour passer le cordon douanier, il faut enregistrer les véhicules. C'est le cas aujourd'hui à Gaïa que les véhicules qui sont donc en provenance euh, de Cotonou doivent donc rentrer sur le territoire nigérien, doivent passer le cordon douanier et la société Sonologa, à travers donc ses outils de technologie, prend en charge hein, les véhicules afin que ces véhicules-là soient connus bien dans la base des données du, de Sidonia WAP pour que la douane puisse suivre hein, toutes les formalités douanières pour ces véhicules qui rentrent soit en transit, soit en consommation euh, directe sur le territoire national. Donc, euh, comme euh, je suis en train de vous l'indiquer, cela est très important pour l'État du Niger d'avoir cette maîtrise-là. parle des d'augmentation des frais de dédouanement. Non, il n'y a pas d'augmentation des frais de dédouanement. Il n'y a que la douane qui fixe euh, le dédouanement d'un véhicule. Les coûts d'un dédouanement sont déterminés par la circulaire douane. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'augmentation du tout. Il faudrait que euh, vous approchiez beaucoup plus de la douane, elle va vous donner les différents éléments. Mais ce qui est là, c'est que dans la prise en charge d'un véhicule, évidemment qu'il y a des frais, mais Bon, les frais de 15 000 francs, je pense que ça, ce n'est même pas dans le cadre du dédouanement. Il y a des frais, effectivement, de prise en charge du véhicule au cordon douanier. Ça, c'est vrai, mais ça n'augmente pas le coût du dédouanement. Il faut que tout le monde le sache. Oh, nous sommes en train de sensibiliser les différents opérateurs pour qu'ils comprennent cette nécessité-là. Alors, euh, le guichet unique euh, coûte combien nous ne sommes pas aujourd'hui euh, dans le cadre du guichet du automobile qui sera mis en, euh, en place de façon effective euh, à partir de janvier 2017. Aujourd'hui, dans le cadre donc de la maîtrise, comme je l'ai dit, de l'importation des véhicules, l'un des aspects du guichet du automobile, c'est de pouvoir évaluer les véhicules. Et c'est cet aspect simplement hein, du guichet unique qui est pris en compte avec la douane. Sinon, le guichet NUC automobile, après le dédouanement, il y a aussi l'immatriculation, il y a les poses de plaques, il y a les visites techniques, il y a les assurances, il y a la délivrance des vignettes, mais tous ces aspects-là ne sont pas encore aujourd'hui pris en compte. Donc, euh, je dis, je ne peux pas vous donner le coût un global du guichet de coût mobile. Mais l'aspect qui concerne la prise en charge du véhicule au cordon douanier, c'est-à-dire aux différentes frontières avec la douane pour en avoir la maîtrise. C'est cet aspect-là qui est pris en compte. ça, ça coûte combien cet aspect Bon, il y a un coût qui est défini par la circulaire douane. Hein, il y a donc un tableau qui est adressé à tous les opérateurs. Je sais que sur le plan sécuritaire, il est important qu'un État ait la maîtrise hein, du flux des véhicules qui circulent sur son territoire. Je peux dire que pour ce qui concerne euh, la valeur, effectivement, à travers la circulaire de la douane, Sony Loga a traduit ça dans un langage informatique pour permettre d'avoir un, un dédouanement et un calcul des valeurs qui ne soit pas aléatoire, mais qui soit exactement le même pour chaque véhicule, quelle que soit sa catégorie. À savoir que pour le même véhicule qui présente les mêmes caractéristiques, quel que soit le lieu où vous allez faire le dédouanement, vous aurez toujours la même valeur. C'est exactement ça. Maintenant, le dédouanement ne se fera pas euh, à la tête du client euh, pour tenir compte de telle ou telle personne. Aujourd'hui, le dédouanement sera fait de façon équitable et uniforme sur l'ensemble du territoire. C'est un peu le, but recherché aujourd'hui par l'administration, d'avoir euh, une administration qui est connectée et qui est où les formalités qui se font dans une ville qui soit exactement les mêmes que dans l'autre ville. Et aujourd'hui, notre système permet de rendre tout de façon informatique et la circulaire est informatisée de telle sorte que partout où les usagers, les opérateurs vont se mettre, ils vont avoir le même service. C'est l'égalité des services, un hein, pour tous. Dernier aspect de ce forum, la Ligue régionale de pétanque de Niamey a organisé un tournoi régional en fin de semaine à la Blue Zone de Niamey. 74 équipes nigériennes, 4 équipes burkinabées et deux joueurs euh, et des joueurs euh, béninois ont participé à ce tournoi. Le Niger est qualifié à travers l'équipe d'Agadez pour participer à la Coupe du monde qui se déroulera du 1er au 4 décembre 2016 à Madagascar. A plus donc de précisions avec euh, Wissilman Asaratan. Il est le secrétaire général de la Fédération nigérienne de la pétanque au micro de Soumana Amadou. Effectivement, la Ligue euh, régionale de pétanque de Niamey, à l'instar de celle de d'Agadez, Zender et Maradi, a organisé ce tournoi que nous appelons tournoi régional ouvert à la sous-région. Et, euh, euh, coïncidence pour coïncidence, ce tournoi a été organisé par la Ligue des Niamey en prélude au préparatif de l'équipe nationale de pétanque du Niger qui doit participer à la Coupe du Monde à décembre 2016 à Antananarivo, Madagascar. Ce concours a, été organisé ce week-end euh, à la Blue Zone. Il a regroupé les équipes de l'intérieur, six régions. Il y a DIFA pour insécurité qui était absente et Tilaberi qui n'était pas matériellement aussi prête. En dehors de ces six régions de l'intérieur, nous avons ici quatre équipes de Burkina Faso, dont l'équipe qui doit aussi participer euh, à la même Coupe du Monde au nom du Faso. Et il y a eu des individualités aussi venues du Bénin. Donc ce tournoi a regroupé 74 équipes en triplette. triplettes ça veut dire trois joueurs. Niamey avait, inscrit 47 euh, sur le 74. Nous avons travaillé jusqu'à euh, hier soir à 2 heures du matin. Notre objectif est bien euh, atteint du moment où ça nous a permis de juger notre équipe, ça nous a permis de montrer à l'opinion nationale et internationale notre amour pour ce sport qui commence à faire la fierté du Niger. Pour rappel, cette qualification de, de notre pays à la Coupe du Monde est couplée d'un titre d'Afrique. Nous sommes revenus euh, de N'Djamena 2016 avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Aux Jeux africains, la même équipe a remporté la médaille de bronze en tir de précision. Nous étions en 2014 au Maroc, où nous avions occupé la troisième place de la Coupe des Nations. Nous avons aussi une médaille d'argent en tir de précision. Nous avons dans la zone 3 aussi des distinctions. C'est dire que aujourd'hui, ce concours nous a permis de nous rapprocher davantage des sponsors auxquels nous lançons un appel afin d'aider le pays du Niger. L'État ne peut pas tout supporter. Et nous avons besoin d'un appui pour valablement faire flotter le drapeau du Niger parmi ses sœurs Antananarivo. Le concours s'est très bien passé. Sur le plan technique, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que nos joueurs ont appris et notre équipe a compris ces insuffisances qu'elle va corriger euh, tout au long du mois de novembre. le programme que nous avons fait, et euh, que d'ailleurs le gouvernement du Niger euh, soutient, qui est en, bonne voie. donc les insuffisances, nous allons les corriger ce mois parce que l'équipe nationale, elle vient d'Agadez. Euh, c'est l'équipe euh, championne nationale que nous retenons chaque fois. Donc nous allons la garder tous ces mois de novembre ici à Niamey parce que le, départ est prévu vers le 27 novembre, où ils vont s'échauffer, s'entraîner euh, avec les équipes de Niamey. Si possible aussi, nous allons avoir un, regroupement avec nos, nos, nos, collègues du Burkina Faso. Comme nous l'avons dit, la, les, insuffisances que nous avons notées de notre, côté, de notre part et de leur part, on devait les corriger ensemble dans un regroupement. L'équipe régionale d'Agadez qui va représenter le Niger, et c'est comme ça que ça s'est fait. Nos textes font que nous avons, nous avons arrêté à la fin de chaque championnat. L'équipe qui est championne, c'est elle qui va représenter le pays en matière de compétition internationale. Et pour coïncidence, c'est Agadez qui est champion 2014, 2015 et 2016. Nous n'avons pas eu à organiser les championnats. Cette équipe est composée de quatre joueurs. On a la triplette, la pétanque se joue en trois personnes ou en duel, en deux personnes ou en individu. Mais pour euh, le cas de la Coupe du Monde, il y a la triplette, trois personnes, et ensuite un individuel en tir de précision quatre joueurs, quatrième est réserve en cas de maladie ou en cas de fatigue ou en cas de, remplaçant. Donc euh, voilà ce qui fait que c'est Agadez qui va. Mais cela n'empêche pas. Et hier, nous avons discuté avec même euh, l'équipe. Cela n'empêche pas que quand et si la fédération ou ensemble avec l'équipe, le staff technique, si nous constatons de défaillance quelque part, nous pouvons faire remplacer les joueurs ou apporter un appui à cette équipe. À la Coupe du Monde, chaque pays est représenté par une seule équipe. Nous sommes euh, au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.